donnons-leur à manger parce que ventre affamé n'a point d'oreille. Exactement. Pour le son de Viviane, je fais un big coucou à Mokta Senghor qui te fait un coucou à toi, Joyce, et à Kiki la nouvelle. Ce qu'on va faire, on va ding ding ding ding ding ding ding ding. ding, ding ding, ding Aujourd'hui, on va préparer des brochettes de poulet au barbecue. Waouh, waouh. Waouh, À ta traduction. tey dit euh, oui oui <laughs> brochette de poulet. au barbecue. brochette de poulet. Je nit yi envie ah, ñu lekk kon barbecue. <laughs> waouh, voilà brochette de on dit quoi. ginaar ginaar voilà brochette de brochette ginar barbecue. voilà merci barbecue ti Olaf mooy après oui oui lac, lac quoi. waaw tey la ñuy da ngay togg wala <laughs> <laughs> da ngay soxla blanc tu tu auras besoin de blanc de poulet. Euh, di nga soxla blanc de poulet mom moy euh, ginaar bi ci kaw dindi yax yi. d'accord oignon rouge. soble bu cuillère à soupe de jus de citron. de limon limon ndox. lach lay huile d'olive. Euh, huile d'olive. sel poivre. pour la préparation. éplucher et émincer grossièrement l'oignon rouge. couper les blancs de poulet en morceaux. dagati et prenez l'ail. dans un bol mélangez l'huile d'olive jaxase huile d'olive bi le jus de citron euh kuddu limon wi et l'ail ak euh, laaj bi salé dal ci def xorom poivré et laisser mariner dans le blanc de poulet dans ce mélange pendant 40 minutes. Ngayel blanc de poulet bi dougal ko ci bir marinade bobu nonou bayiko mu reposer 30 minutes. 40 minutes 40 minutes. Manam moy 6 minutes. Voilà. Former les brochettes en enfilant sur des pics à brochettes, des morceaux de poulet. pic brochette moi yi ngeen di jël des di ci sol brochette yi a des mhm. ngay en intercalant des morceaux d'oignon. Double Jibir a ay euh, soble après def ginaar soble guinard. faites cuire au barbecue environ 5 minutes par côté nga teg ko ci barbecue bi maanaam taal bu tàng yi. Mhm. di ko dëpp di ko dippi bu ci nekk cinq minutes. juróomi simili. juróomi simili. <laughs> Servez ces brochettes de volaille avec une salade verte et quelques tomates cerises. nga daal defar sa plat def ci salade ak tomate. mooy tomate yi ndaw mhm. tomate cerise voilà. Joyce c'est sur le digital merci cher Tidane. bon appétit. bon appétit c'est tellement bon. c'est bon. <laughs> C'est tellement bon. C'est bon. Je passe déjà la commande. Comprenez, comprend. J'ai passé ma commande. <laughs> Comprenez la Non, mais c'est bon. En plus, tu peux manger ça avec du riz, des frites, à l'eau, salade. salade. Avec du pain même. Ça Safna. Safna. Safna. Safna. Safna. Ah, ah, ah, c'est pas gentil hein. c'est pas sérieux quoi sécurité pour nos estomacs. exactement mais bon c'est pas grave c'était le but on a donné à manger et ils ont faim et tu sais l'essentiel aussi c'est de donner à donner envie aux auditeurs et aux internautes de cuisiner chez eux de changer un peu tu sais il y a des, moments où tu as à d'inspiration hein, pour ce que tu vas faire à manger donc c'est aussi une façon de leur dire écoutez vous pouvez cuisiner ici vous pouvez cuisiner ça donc voilà aujourd'hui les brochette guinard rec <laughs> Ce qu'on va faire, on va écouter un peu de musique avant de dire bye bye.